forum du le forum du le forum du forum du Bonsoir, merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et dans les localités d'Arlit, Filengue, Berlingaoure, Tirozerine, Magaria, Menesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Nous sommes lundi 21 novembre 2016. Ce lundi est consacré à la journée mondiale de la télévision proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996. Une façon d'encourager les échanges mondiaux de programmes télé axés sur la paix, la sécurité, le développement social et économique et l'amélioration de l'échange culturel. L'UNESCO reconnaît l'importance de la télévision en tant que premier moyen de communication et passage normal de l'information de masse. Ceci est d'autant plus important dans les pays le moins développés comme le Niger. La télévision joue un véritable rôle en ce qui concerne la diffusion de l'information et de la connaissance. C'est aussi un puissant outil qui reflète les conditions et les aspirations humaines. Nous verrons ce que c'est et ce qu'en pensent les populations. Cette journée, nous la mettons à profit pour parler de la télévision numérique terrestre, TNT. Nous verrons un peu plus tard ce que c'est. Mais avant, sachez que le processus de la migration vers la télévision numérique terrestre TNT en Afrique a été lancé depuis 2006 avec comme date butoir le 17 juin 2015. Notre pays, le Niger, fait partie de ces pays africains qui se sont donnés rendez-vous pour basculer dans la TNT. Pourquoi passer au numérique Le Niger a-t-il respecté ses engagements quel bilan peut-on tirer Qui est concerné par la TNT TNT veut-elle dire accès pour tous euh, des populations à la télévision Et en quoi est-ce que ça peut changer le quotidien des populations Quel est le coût de la TNT Les questions sont nombreuses. Et pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous avons invité des acteurs qui sont au parfum de la chose. Comme acteur, nous avons M. Karimou Maliki. Monsieur Karim, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu vous êtes euh, au Conseil supérieur de la communication hein, et vous, vous occupez quel poste Là, je suis chef service de contrôle et gestion des spectres. Hmm. Et vous êtes aussi membre du comité Je suis aussi membre du comité technique national pour la transition numérique. Au titre du CSC. Au titre Merci, monsieur Karim, d'être venu. Euh, à ma gauche, il y a monsieur Abbas Abdelaziz, qui est un acteur de la société civile. Monsieur Abbas, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être venu. <coughs> Merci. Voilà, vous allez vous présenter à nos auditeurs rapidement. <coughs> de Laziz, président de l'Association de défense des droits des consommateurs, des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie, Actis euh, Niger. Et vous, êtes aussi dans le comité euh, Je suis aussi membre euh, du comité technique de la TNT au nom de la société civile. Alors, avant de revenir à tout ce développement du comité, et, de la télévision terrestre, je vous disais que c'est la journée nationale, internationale pardon, de la télévision. Vous allez me répondre, hein, pourquoi une journée, selon vous, une journée consacrée à la télévision nationale À la télévision, pardon. Cette journée consacrée. Monsieur Karim. Merci. Cette journée consacrée à la télévision nationale, à la télévision d'une manière générale, pour, pour permettre aux acteurs des médias audiovisuels, pour qu'ils sachent qu'au moins comme dans tous les secteurs, il y a une journée consacrée dans les autres euh, organismes. Il faudrait aussi que dans la partie audiovisuelle, qu'on ait une journée mondiale de, télévision pour, encore une fois, rappeler aux gens qu'est-ce que c'est la télévision, à quoi et où on, nous, nous migrons vers où. Voilà. Abbas, quelle est votre définition et comment vous appréciez cette journée consacrée à la télévision Bon, moi je n'ai pas de définition à cette journée, mais euh, je me dirais que c'est vu euh, l'évolution, euh, euh, l'évolution vraiment à grande vitesse de la télévision et l'importance et la prise de conscience de l'impact de la télévision sur la population mondiale. c'est en ce moment que la télévision a vu qu'il faudrait une journée pour elle. Euh, vu son importance euh, vraiment dans le développement de, toute une nation. Merci pour ces définitions. Euh, on va aller écouter quelques appréciations d'auditeurs que notre reporter Laura Ibrahim Gado a rencontré ce matin. La télé ne joue pas son rôle. Pourquoi Maintenant, la télé elle est dominée, surtout à ce dernier moment, par le débat politique. C'est la politique, rien que la politique du matin au soir, vous, êtes devant votre écran, c'est la politique. Donc ils ont oublié leur principal rôle. Ils doivent laisser la politique, ils doivent penser à la mission pour laquelle ils sont investis la sensibilisation, surtout en, milieu rural. C'est un peu partagé. Quelque part, on peut dire que la télé joue son rôle de sensibilisation à travers euh, les informations, à travers euh, euh, certains documentaires, à travers certaines émissions qui visent à sensibiliser par rapport à, à, des domaines bien précis. Mais il se trouve que quelque part aussi, la télévision ne joue pas son rôle de sensibilisation dans le sens que la télévision, elle encourage la dépravation des mœurs. Comment Quand je vois certaines euh, émissions qui passent à la télévision, moi il m'arrive de surfer sur les différentes chaînes de télévision, mais il y a une chaîne de télévision, ça vraiment j'ai horreur de regarder ça. Pourquoi Nous sommes dans une société euh, euh, musulmane, religieusement musulmane, et on passe des scènes de danse et certains films. Quand vous êtes en famille, vous êtes gêné. Vous êtes avec vos enfants, vos femmes, vous êtes gêné de regarder certaines images. Et je ne sais pas, le ministère de la Communication, est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe à travers certaines télévisions Vraiment, moi je pense que c'est bon la liberté d'expression, mais nous sommes dans une, dans une société qui a ses valeurs. Nous sommes des religieux. À un fort taux de pourcentage, nous sommes musulmans. Nous avons des valeurs traditionnelles qu'il faut continuer à préserver. À travers certaines télévisions, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à redire. Voilà, euh, chers invités, chers auditeurs, vous venez de suivre quelques téléspectateurs que notre reporter a rencontrés ce matin à l'occasion de la journée mondiale de la télévision. Euh, Monsieur Karim, vous qui êtes du CSC, vous venez de suivre quelques avis. C'est pas du tout tendre hein, à l'égard de la télévision, euh, à l'égard des télévisions nationales. Est-ce que c'est votre avis Qu'est-ce que vous en pensez du contenu des télévisions ce qu'ils viennent de dire est relatif. Effectivement, si on regarde d'une manière générale, vraiment, la, télévision, d'une manière, que ce soit la télévision publique, que ce la, télévision télévisions ne répondent pas, de point de vue, moi, à mon avis, ne répondent pas vraiment aux attentes de nos populations. Parce que, comme vient de dire un des vraiment, au niveau national, quand vous regardez la télé, vous savez, il n'y a que le, régime, le pouvoir en place qui, passe, qui prend le maximum d'antennes à parler de politique, à parler de ceci, de cela. Et au niveau des télévisions privées aussi, on voit que les chaînes privées ne font pas assez pour permettre aux populations de changer de goût. Souvent, c'est des danses, comme on vient de dire, souvent c'est des films, des anciens films qui, repassent et repassent. Merci. Abbas, c'est votre avis Est-ce euh, que les télévisions n'ont pas de contenu Bon, mais euh, Vous savez, moi, euh, comme l'a dit M. Maliki, euh, je, je, ne pense pas si les gens comprennent ce qu'est la télévision. Parce que quand on dit télévision, d'abord, il faut comprendre que vous avez plusieurs types ou plusieurs catégories. M. Maliki est là pour le confirmer. Vous avez des chaînes de télévision à caractère euh, commercial des chaînes de télévision euh, à caractère euh, communautaire, etc., etc. Maintenant, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut. Maintenant, quitte maintenant au régulateur de dire, écoutez, moi, selon le type de chaîne de télé que vous voulez, voilà le programme que vous devrez respecter et le CC doit suivre cette télé ou ce programme à la lettre. Parce qu'aujourd'hui, une télévision communautaire ne peut pas avoir euh, la même chose comme contenu comme une télévision commerciale. Aujourd'hui, quand vous prenez euh, euh, la télévision nationale, je me dis que c'est une chaîne de télé qui devrait plutôt s'apaisantir sur nos valeurs culturelles, sur l'éducation à la base, etc., etc., que de s'apaisantir, comme l'a dit tout à l'heure, l'a, confirmé tout à l'heure M. Maliki, qu'aux hommes politiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le programme de la télévision nationale, vous allez voir que 90% de son contenu est destiné uniquement aux hommes politiques. Au contraire, quand vous prenez les chaînes euh, euh, privées, les chaînes privées, quand vous prenez les contenus, aussi chacun se bat pour survivre. Donc, ce qui pousse les chaînes de télévision à mettre plus l'argent sur euh, le commercial que sur euh, l'information, que sur l'information, que, le social. vous semblez, vous avez indexé le CSC. Oui, et, le Conseil de la communication. J'indexe le, CSC euh, parce que, comme l'a dit l'autre, le ministère, le ministère n'est pas en charge. c'est le régulateur qui est le CSC qui doit faire appliquer en fonction du type d'autorisation que vous avez reçu, doit faire appliquer euh, à la lettre le contenu du programme. Si vous dites qu'aujourd'hui je suis une euh, chaîne de télé commerciale et que vous passez tout votre temps, je sais pas, à, à, quitter votre cahier de charges, euh, ce n'est pas normal. Le CC doit rappeler à l'ordre la chaîne. Par exemple, la chaîne nationale, le CC doit rappeler à l'ordre la chaîne nationale pour leur dire écoutez, voilà ce que vous devrez faire. voilà votre cahier de charge, mais vous ne respectez pas votre cahier de charge. Mm. C'est normal et, surtout une télé qui est supportée par euh, la population parce que tout le monde paye ce qu'on appelle euh, la redevance ORTN, tout le monde le sait. Donc ça veut dire que nous aidons notre chaîne de télé à travailler pour nous. Et mmh. quand on dit pour nous, c'est pour les gens qui n'ont pas accès à tous les médias qui sont euh, très loin de la capitale les gens qui euh, euh, euh, sont. tous les Nigériens, toutes les populations. Toutes les populations. monsieur, monsieur, Karim, vous avez quelque chose à dire sur le rôle, du le, le rôle du CSC Le CSC, ne joue pas son rôle. Le CSC, ne joue pas son rôle. que aussi, le CSC n'a pas aussi le monde de sa politique. C'est ce qu'il ne faut pas oublier parce que C'est une institution de l'État. Oui, c'est une institution de l'État, mais qui n'a pas tous les moyens pour pouvoir suivre réellement ces radios et ces télévisions qui sont sur place. Qu'est-ce qui vous manque Ce qui vous manque, c'est les, moyens techniques. Parce que si aujourd'hui, c'est tout récemment qu'on a pu un peu avoir quelques, un nouveau modèle qui permettra de suivre au moins quelques radios et quelques télévisions. Et ça, c'est le processus vient juste de commencer. Donc euh, le CSC, s'attelle maintenant à faire respecter aux télévisions et aux radios les programmes qu'ils sont librement inscrits. Quand vous aurez vous, les moyens, vous, on a, la capacité de Quand on a la capacité, parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons autour de 13 chaînes de télévision, mm. il y a autour de 26 radios qui émettent à Niamey, mais le CSC n'a que dans le temps, c'est pas, j'ai dit, il y a au moins trois mois de cela, que ça a été le nouveau programme qui été mis en place. On on ne pouvait même pas contrôler cinq ou trois radios. Mais c'est vous qui avez donné les autorisations. Mais c'est nous qui avons donné les autorisations, bien sûr. Mais ces autorisations, ça euh, quand on donne les autorisations, si aujourd'hui on vous dit qu'on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas vous donner une autorisation parce qu'on ne peut pas vous contrôler, là aussi encore une défaillance de notre part. Alors, après ces précisions sur la télévision, euh, nous allons aborder l'autre thématique euh, qui est la télévision numérique terrestre on va essayer de le définir. Qu'est-ce que c'est que la télévision numérique terrestre à base Bon. Euh, normalement. De façon plus pratique. Oui, normalement, c'est le monsieur du, en charge euh, de, On va revenir à lui. De, la régulation. Oui. Et c'est lui l'homme politique présent ici. Oui. Nous, nous sommes euh, des consommateurs, c'est mm. vrai, mais quand même. en tant que consommateur avisé, si on vous demande de bon, Pas en tant que consommateur, mais en tant que expert dans le domaine, la télévision, euh, numérique terrestre euh, n'est tout autre que euh, un nouveau standard de diffusion. C'est-à-dire, c'est quoi le standard de diffusion Aujourd'hui, toutes les chaînes de télé diffusent en analogique et, sur un seul canal. sur un canal où le signal, où le signal est en forme sinusoidale c'est-à-dire, euh, vous avez d'abord dans la composition <clears throat> les images qui sont à part et le son qui est à part. Hmm. Euh, ça présente beaucoup de, dégradations, dégradation, beaucoup de problèmes, beaucoup d'imperfections. Et pour euh, régler, pallier à, tous ces problèmes, nous sommes rentrés dans le monde numérique. Comme vous savez, dans le numérique, c'est des 0 et des 1 qui forment le signal et ça donne beaucoup plus de qualité sur euh, l'image euh, et le son et beaucoup plus de programmes interactifs. Donc euh, la TNT n'est rien du tout que le remplacement, c'est-à-dire l'amélioration de la télévision ancienne pour prendre une nouvelle formule dans la chaîne de diffusion en numérique. En numérique. Monsieur Karim, quelle est votre définition technique La définition technique qu'on donne à la télévision numérique, c'est-à-dire que c'est le passage je vais, de l'analogique vers le numérique. Parce que quand on parle souvent le terme de, l'analogique vers le numérique, parce que quand on dit simplement la télévision numérique terrestre, on fait une, restriction. Parce que c'est seulement c'est le passage de l'analogique au numérique. Parce que la télévision numérique, ça permet tout simplement, parce que au vu de ce qu'on appelle les fréquences, on dit que c'est une source de denrées rares ces fréquences-là constituent, au fil du temps, les gens constatent qu'on n'arrive pas à octroyer ou attribuer des, licences aux, sociétés, que ce soit aux sociétés de télévision, que ce soit aux sociétés de télécommunications, parce que la, fréquence qui est la source, elle devient rare. Donc par rapport à ça... Qu'est-ce qui fait cette rareté Cette rareté, parce que c'est une fréquence qui est canalisée. Parce que je prends le cas, par exemple, prenons le cas de la télévision, par exemple, la bande UHF. La bande UHF, elle commence de 470 dans l'ancien temps à 862. Et entre chaque, la bande de chaque, chaque télévision occupe une, euh, fréquence de 8 MHz théoriquement, mais pratiquement même c'est 16 MHz que ça présente. Donc vous voyez, on ne peut avoir que 30 canaux. Ça, vous, présentez, vous, vous parlez du cas du Niger. même manière, c'est que le monde est divisé en trois zones il a la zone 1 qui compose l'Europe et l'Afrique. Donc, euh, tout le continent européen et le continent africain sont dans la zone 1, on besoin 1. Vous avez la zone 2 qui concerne les Amériques, donc les États-Unis, Canada, Amérique latine, tout. Et la zone 3 concerne l'Australie et l'Asie. donc chacun selon sa sphère de compétence, essaie de définir, par exemple, ce que je viens de dire, par exemple, la, bande UHF de 470 à même que vous partez en, Europe, en France, c'est comme ça aussi, ça, c'est bande définie comme ça. Donc, si cette bande est définie comme ça, si par exemple, on ne peut donner que 30 chaînes de télévision, alors que la demande est assez forte, et maintenant, même avec euh, le nouveau système, on vient même de réduire cette bande de fréquence de 470 à 694. Donc, vous voyez, il y a, on, a fait une restriction. Or, la télévision numérique, ça permet à ce que, par exemple, sur une fréquence, prenons le cas de la fréquence, je prends la fréquence de la est 479.25. Sur cette fréquence-là, je peux mettre jusqu'à 20 chaînes de télévision. C'est-à-dire que je peux mettre jusqu'à 20 contenus sur la seule fréquence. Alors que si c'est en analogique, la Donc seule ça fréquence. Veut dire que si la barre est à 625. C'est ah, à 479.25. 479, ok. Donc, je peux mettre, donc, je peux mettre euh, Dunia, je peux mettre Ténéré, je peux mettre Télé Sahel, je peux mettre euh, sur cette même fréquence-là, ils peuvent tous diffuser ensemble sur la même sur cette même fréquence-là. Donc ça veut dire que donc ça me permet de gagner en tout ça, de C'est l'effet du numérique. C'est l'effet du numérique. Ça me permet de gagner. Donc c'est ce qui fait que c'est vraiment l'opportunité. C'est en fait c'est une évolution mondiale à laquelle le Niger ne peut pas se soustraire. Et en fait, indépendamment de cela encore, maintenant, les appareils analogiques, les gens, les sociétés privées, les sociétés européennes et autres ne, les fabriquent plus. Donc si le Niger ne bascule pas vers ça, on risque de trouver un mois où on ne peut plus même diffuser. Mm. Pour un consommateur euh, très simple, un citoyen très simple, qu'est-ce que ça veut dire le passage de l'analogique au numérique pour le, pour le citoyen, très simple, c'est juste, comme l'a dit tout de suite M. Abbas, c'est que maintenant, au moins, la qualité de l'image et du son sera améliorée et ça permettra aussi de créer le maximum de chaînes de télévision possible. Oui, mais euh, pour les télévisions qu'il faut acheter sur le marché, pour les télévisions qu'il faut acheter sur le marché, par exemple, tous ceux qui ont les anciens modèles où il n'y a pas une prise Péritel, il faut, euh, pour mettre un, un encodeur, il faut, il faut, en tout cas changer. Et ça, normalement, dans, dans la transition numérique, l'État avait pris en charge ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement ce normalement, c'est un cas qui sera vu pour faciliter aux, populations la transition. Et en point de presse, là, ce n'est pas tout de suite que quand on va passer à la TNT qu'on va couper le signal. On va faire la, division en cas C'est-à-dire qu'on va faire analogique et le, et le numérique pendant un certain temps jusqu'à ce que l'État s'assure que toutes les régions qui, où avait le signal existait sont couvertes. Merci. Alors, de façon générale, le rendez-vous en principe pour des pays comme le Niger pour arriver pour quitter l'analogie euh, au numérique, normalement, le rendez-vous, c'était juin 2015, le 17 juin dernier. Enfin, il y a plus d'une année, de, quelque chose de plus d'une année. Est-ce que euh, la date a été respectée On va rapidement, avant d'en venir plus profondément. Monsieur Abbas, le 17 juin, <coughs> euh, le Niger a-t-il basculé dans le numérique Il n'y en a pas que le Niger seulement. Vous savez, le passage de l'analogique au numérique, c'est une institution qui a décidé de la date, disons, une institution qui est composée de plusieurs pays, comme l'a dit, fonction de la zone. Euh, ils, se, sont donné rendez-vous pour euh, euh, la télévision en juin 2015 et pour les radios en 2021. C'est les pays qui ont décidé Oui, effectivement, parce que l'Union internationale de télécommunications, c'est un ensemble. C'est un ensemble, donc c'est une date butoir ce n'est pas une date euh, euh, exécutoire, si je peux le dire, c'est-à-dire ce n'est pas une date à laquelle arriver toutes les télés vont s'arrêter. Non. C'est une projection souhaitable. Oui, c'est une date souhaitable. Donc, il euh, ne faut pas que les gens s'embêtent se, se, pour dire que c'est comme le bug de l'an 2000 où on dit que non, à partir de 0 heure l'an 2000, tous les PC, les ordinateurs vont s'arrêter. Non, c'est une date vraiment butoir. Donc, euh, et pourquoi une date butoir Tout simplement parce que le problème de la diffusion de la TNT ne se situe pas dans, les villes, mais plutôt au niveau des frontières. Voilà pourquoi euh, ils ont demandé à tous les pays, c'est-à-dire d'harmoniser, de faire en sorte que cette date soit euh, butoir pour tout le monde. Pourquoi Tout simplement parce que si aujourd'hui le Niger avait une autre date que le Bénin, nous avons Gaïa et Malanville. Si le Niger passe à la TNT, Gaïa, et Malanville n'a aucun droit de perturber le Niger sur sa fréquence de la TNT. Vous voyez, donc c'est pour vraiment euh, être ensemble. L'uniformité est une exigence. Euh, euh, voilà, pour que, pour que tous les pays migrent ensemble, pour qu'il n'y ait pas de problème d'interférence entre l'analogique et le numérique. Donc, les gens ont arrêté une date, c'est bien beau, mais les gens ont oublié le problème de l'Afrique qui est vraiment un problème financier. Et nous, nous n'avons pas les mêmes moyens que, que l'Occident. Donc nous ne pouvons pas aller à la même vitesse et surtout, surtout qu'au Niger et dans d'autres pays, il y a eu euh, le politique qui a vraiment négligé le côté euh, prise en compte et prise en charge de la TNT. Mm. Et ce qui fait que le Niger et d'autres pays n'ont pas été au rendez-vous. Et les autres pays qui sont pressés d'aller à la TNT, à la date là, se sont retrouvés avec des problèmes. D'autres étaient obligés d'arrêter. Est-ce qu'il y a des pays qui, ont, qui, sont passés de l'analogie au numérique Oui, il y, en a. Il y en a, mais qui étaient obligés d'arrêter. Je, pense que le Rwanda a arrêté. Euh, le Rwanda a arrêté. Il y a le Cap Vert, je pense, euh, qui est en train d'évoluer. Mais il y a beaucoup de pays qui sont, euh, qui sont lancés dedans, mais ils ont eu des problèmes avec des décodeurs. Tout simplement parce que je me dis que l'Afrique euh, les, les, Occidentaux n'ont pas pris en mesure euh, notre politique euh, africaine avant de poser cette demande. D'accord. Eh, monsieur Karim, vous qui êtes du CSC, l'organe de régulation des médias, c'est une question qui vous tient beaucoup, beaucoup à cœur. Eh, quel est votre rôle dans le passage du numérique, de, de l'analogie au numérique Notre rôle du passage au numérique, c'est d'accompagner le gouvernement a à faire le passage, un passage réussi de, l'énergie au numérique. Mais comme veut bien le dire à base, c'est-à-dire que ça, ça en fait, les pays africains, d'une manière générale, ce n'est pas le Niger seulement, c'est tous les pays africains d'une manière générale, c'est surtout l'Afrique noire qui s'est trop attardée sur cette, sur cette question. Puisque la réunion a eu lieu depuis 2006, qu'on avait pris la décision que d'abord, nos débuts, c'est 2012, la date qu'on avait proposée pour les pays africains. Quand on a vu les difficultés, on a dit, oh, donc on a fait rallonge pour 2015. Quelles sont les difficultés Les difficultés, c'est toutes les difficultés financières. Tout le problème est financier. Si aujourd'hui on avait les moyens financiers, on aurait dû finir. Est-ce que c'est estimé à combien Nous, on a estimé ça au début à 29 milliards. De De francs CFA. De France, Pour le Niger Pour le Niger. Pour le Niger. Alors, donc c'est 29 et quelques, presque, environ 30 milliards si vous voulez, mais c'est 29 et quelques, à peu près 30 milliards si vous voulez. Oui, mais justement, où est-ce que vous en êtes Aujourd'hui, vraiment, nous avons avancé. Parce que le gouvernement, quand même, a pu faire euh, les pieds et les mains pour arracher un contrat avec euh, une société belge qui s'appelle Studiotech, qui, qui s'est portée garante pour pouvoir fournir le matériel. Et aujourd'hui, Dieu merci, une bonne partie du matériel est là. Parce qu'on vient de réceptionner, je compte sous le contrôle de la base, neuf conteneurs contenant les appareils de TNT au PK5. Le vendredi. On va, revenir sur ce point, mais on va, je vais vous proposer d'écouter un promoteur de médias privés. Il s'agit de M. Euh, monsieur Grema Boukar, qui est le directeur général du groupe de presse Enfani, que notre reporter laurent Ibrahim Gadou a interrogé sur cette question du passage de l'analogie au numérique nous sommes engagés il y a longtemps, aujourd'hui à peu près deux ans, que nous étions sur le projet de la télévision numérique terrestre, TNT. Et le Niger, aujourd'hui, fait partie des pays favoris. On risque d'être même parmi les premiers à avoir la TNT, parce que il y a à peine deux semaines, le ministère de la Communication nous a invités avec le ministère de Télécommunications à venir réceptionner une partie des matériels de la TNT Niger. Est-ce que vous, à votre niveau ici, à Anfani, le matériel est prévu Il faut d'abord la TNT soit visible au Niger. Et c'est ce que le ministère est en train de faire. C'est un investissement de l'ordre de plus de 20 milliards que le ministère est en train de faire. Et nous en remercions le ministère parce que on ne peut pas être du reste par rapport aux pays de la CDAO. Mais nous semblons être les premiers pays à faire le premier pas dans la TNT. Parce que, au moment où je te parle, dans les huit régions du Niger, on a placé les émetteurs de la TNT. Les huit régions-là sont les centres principaux mais aussi il y a des centres secondaires, tels que pour la région de Difa, il y a Difa même, le chef-lieu de la région, il y a Méné Soroa et Maria qui vont recevoir la TNT lorsque la TNT sera mise en marche. En tout cas, on a une avance par rapport aux autres pays limitrophes. Et c'est pourquoi je te dis, nous, en tant que télévision privée, nous sommes prêts. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Au contraire, ça nous diminue les charges. Désormais, nous, on va donner les signaux au niveau du parc central et c'est à eux de diffuser. Et ça, ça nous permettra, nous, de voir dans quelle mesure nous allons être taxés par le propriétaire de la TNT qui est l'État du Niger. Monsieur Grima, dites-nous, en quoi est-ce que la TNT peut contribuer à satisfaire le téléspectateur Il a beaucoup de choses sur le plan d'abord technique. Nous, nous avons des matériels jusqu'à présent analogiques, mais il y aura un transfert de ces productions analogiques en production numérique. Donc il y a la qualité de l'image. À part la qualité de l'image, la distribution, la diffusion. Aujourd'hui, si nous, nous connectons à la TNT Niger, nous allons être vus sur l'ensemble des huit régions du Niger, mais aussi dans les centres secondaires. Donc, il y a la qualité de l'image, il y a la qualité du son, tout est en numérique. D'analogie, on va revenir à la numérique. Et il y a une instantanéité de réception dès lors qu'il y a diffusion. Le Niger n'est-il pas en retard par rapport à la TNT Et qu'est-ce qu'il faut pour que le Niger soit de la TNT réellement. Le Niger n'est pas en retard. Au contraire, nous sommes en avance par rapport aux autres pays. Prenons des pays comme le Nigeria aujourd'hui, qui n'ont pas la TNT au moment où je te parle. Prenons des pays comme la Côte d'Ivoire, qui sont les poids lourds économiquement de la zone CDAO, mais ils n'ont pas la TNT. Le seul pays qui a tenté de faire la TNT, c'était le Mali. Mais ça même, ils n'ont pas fait parce qu'ils sont sur le système satellitaire. Voilà, vous venez de suivre euh, le directeur général du groupe de presse Enfani, M. Grema Boukar, sur euh, la TNT. Alors, Abbas, vous venez d'écouter un acteur, euh, directeur général d'un média qui est concerné par la TNT. Et qu'est-ce que vous retenez comme substance de sa déclaration qui peut nous aider à mieux comprendre Bon, euh, oui, c'est vrai. Monsieur Gréma Bouka a parlé effectivement euh, d'une manière euh, vraiment sommaire de la TNT, puisque eux, c'est des promoteurs. c'est nous, les techniciens, qui leur expliquons tout ce que tous les tenants et aboutissants de la TNT. Apparemment, lui, il a bien compris la TNT. Euh, je le félicite. Contrairement à d'autres promoteurs qui ne cherchent pas à comprendre euh, ce qu'est la TNT, euh, qui accompagnent tout simplement les autres, ils doivent s'impliquer davantage pour comprendre ce qu'est la TNT, quels sont les avantages et les inconvénients, parce que là, il s'agit euh, du bloc de diffusion, c'est-à-dire de la production euh, euh envers la population. Euh, aujourd'hui, j'en appelle à tous les responsables, tous les promoteurs des chaînes de télévision privées au Niger de s'impliquer euh, euh, euh, dans la recherche de l'information et la maîtrise et la compréhension de ce qu'est la TNT pour leur, pour leur propre avantage parce que leurs chaînes de télévision sont appelées à travailler avec euh, le multiplex euh, qui sera euh, mis en place. bon, voilà, maintenant c'est vrai, il a dit qu'il y, y, a beaucoup d'avantages. il y a aussi des inconvénients. Oui, bon, quelque part où il dit ça va réduire le coût de, de, de, <laughs> de leur charge. Bon, je ne pense pas si euh, ça va être le cas, qu'il ne soit pas vraiment trop pessimiste, qu'il, euh, en tout cas, euh, qu'il s'engage dans une lutte pour que ça soit ainsi. Mais le fait de, dire que ça va alléger des, charges, je ne pense pas parce que le multiplex ne sera pas gratuit. bon, pour le moment, je me dis, hein, parce qu'il n'y a pas un service gratuit, puisqu'il y a eu un investissement. Oui. Mais justement, en parlant de l'investissement, hein, M. Karim, qui, qui investit C'est l'État c'est l'État qui investit. Tout ce qui a été payé, c'est l'État. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous avons dit, on va, puisque ça c'est comme une période de test. Il faut permettre, puisque les, un opérateur privé n'a pas les moyens tout de suite d'installer lui même une tête de réseau avec un multiplexeur et tout. Donc on dit à l'État de s'engager, faire d'abord lui-même le multiplex et tout ce qui s'en faut, et maintenant introduire les autres. Cinq ans après, si maintenant on voit le résultat, si on va, on va permettre de créer encore une autre tête de réseau pour mettre d'autres acteurs qui veulent s'insérer dans la chaîne. Et les médias, c'est quoi leur rôle Est-ce qu'ils vont, euh, comment ils vont payer Qu'est-ce qui leur revient ça, on n'a pas encore défini, comme l'a dit tout de suite M. Abbas, les charges, combien le média... Ça, c'est tout l'État, c'est des négociations qui vont se faire entre, entre le privé et l'État. Combien l'État va demander au privé de, pour, pour, que, pour que leur, leur, signal soit transporté, combien ils vont payer. Ça, c'est une affaire entre l'État et les opérateurs privés l'autre question, c'est la TNT, euh, c'est technique, mais je, suppose aussi que c'est euh, du contenu. Vous avez suivi nos auditeurs, euh, enfin les, téléspectateurs qui ont critiqué le contenu des, télés actuelles. en quoi est-ce que la TNT peut améliorer le contenu des programmes télévisuels Abbas Bon, très bonne question, puisque là, moi, en tant que acteurs du domaine, euh, je pense que beaucoup de chaînes de télévision risqueraient de disparaître quand la TNT va venir. Pourquoi euh, Tout simplement parce que ça devient de la production maintenant. Et vous savez que euh, dans une structure de télévision, la partie qui coûte plus cher, c'est la partie de la production. Et avec la TNT, vous allez seulement envoyer votre production au niveau du multiplex qui est en charge de dispatcher votre signal. Euh, on va encourager les chaînes thématiques, euh, puisque les chaînes généralistes vont se confronter à beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit, pour la production. Donc, euh, de ce fait, vous voyez actuellement comment les gens tournent comment les gens diffusent euh, les programmes extérieurs, parce qu'il y a un fait qu'il faut se le dire, que je condamne, et que le CSC est là, le CSC doit réagir par rapport à ça, c'est la diffusion des chaînes étrangères sur une chaîne locale. À partir de minuit, ces chaînes de télévision se disent des chaînes 24 heures, alors qu'on récupère le signal d'une autre chaîne de télévision pour rediffuser localement, alors que c'est même... chez nous tout de cela sera revu avec la TNT Oui, effectivement. Je, me dis dans la politique, c'est-à-dire dans, dans, la réglementation de, de l'obtention de, ces autorisations, puisque ce n'est plus des fréquences. Euh, on ne parle plus de fréquences maintenant, je pense bien. On va parler d'autorisation euh, de diffusion, normalement. Et je me dis que dans euh, ce concept-là, le CSC doit prendre des mesures pour permettre à toute chaîne de télé qui veut diffuser d'avoir ou de faire sa propre production. Parce que là, euh, ça devient, ça devient euh, nous, euh, nous, sommes obligés de rendre la télé plus utile. La télé plus utile. On va permettre à M. Karim de, réagir par, rapport à ce point. Qu'est-ce que cela représente pour les télévisions en termes de production et en termes d'autorisation, puisque ce n'est plus de fréquences, comme l'a dit Abbas. Oui, ce n'est plus de fréquences. Quelles sont les contraintes Les contraintes seraient que maintenant, comme l'a dit M. Abbas, on va maintenant, vous allez seulement donner votre produit, votre production au niveau de la, du centre de diffusion pour que ce programme-là puisse diviser. Un centre de diffusion qui, est géré par qui Qui est géré par maintenant une société que pour le moment on n'a pas défini le nom, mais ça n'est pas normalement l'Orten, puisque l'Orten est maintenant en phase de disparaître, on va, ça sera un autre nom. Donc, c'est cette société-là qui va s'occuper maintenant de, la réception de tous les produits et qui seront multiplexés quotidiennement. quotidiennement. Parce que ça aussi, les privés doivent se battre pour que ça soit ainsi. Parce que c'est comme ça, nous, on avait défini ça dans les textes. Maintenant, le contenu, effectivement, comme l'a dit M. Abbas, ça dépend maintenant de chacun. Et il y a une loi qui est en train de, qu'on a élaborée qui va permettre de définir les contextes dans lesquels chacun va produire son programme, faire son contenu pour qu'il soit diffusé. Et maintenant, comme il a dit, on aura des chaînes thématiques. Ce n'est plus des chaînes généralistes. Maintenant, si la personne continue à faire des chaînes généralistes, thématique, ça veut dire que c'est le, sport, le le sport vous allez, c'est à vous de définir ce que vous voulez faire. Le CS n'impose pas un programme à quelqu'un en tant que tel. Mais tout ce que nous voulons de vous, quand vous dites voilà le programme que je veux faire, vous devez le respecter. C'est ça le rôle de CS, de respecter le programme que vous êtes librement choisi. Donc la TNT, c'est vraiment à l'avantage des populations. Qu'est-ce qu'elles gagnent, les populations Les populations vont gagner en, diversité. Par exemple, vous voulez faire, par exemple, une, une chaîne thématique, donc vous voulez faire du sport vous voulez faire seulement la distraction, vous allez parler de l'agriculture, vous allez parler de la santé. Donc tout ça, ça vous permettra aux populations donc, de créer plusieurs chaînes de radio. Et en dépendant de cela, la TNT permet aussi de transporter le signal. Donc vous pouvez faire le haut débit, vous pouvez faire l'Internet pouvez faire l'interactivité, comme l'a dit, donc, euh, vous pouvez avoir des informations supplémentaires par rapport, parce que c'est le signal de la qui va permettre d'avoir toutes ces, ces possibilités-là. Abbas, euh, vous qui vous encouragez cela, est-ce que euh, vous, dites, vous parlez même de disparition de certaines chaînes Oui, effectivement, oui, je parle de disparition de certaines chaînes parce qu'aujourd'hui, ma foi, quand vous regardez autour de vous, parce que moi, quand je regarde autour de moi, je vois comment ces chaînes de télé produisent, euh, je me dis que euh, c'est des problèmes parce que ce n'est pas rentable. Euh, quand vous prenez par exemple des programmes, un programme musical par exemple, c'est un exemple que je vous donne. On vient, on salue X, on salue Y. c'est tout simplement, on se fait sponsoriser par une boutique de vente de pain. Je me dis que ça ne couvre pas les frais de l'émission. et aujourd'hui, euh, si la TNT vient, la TNT aura ses exigences, le multiplex aura ses exigences, il y aura un, euh, minimum, un minimum de qualité d'image, euh, parce que les gens pensent que aujourd'hui, quand on fait de la TNT, même si on envoie du mauvais, ça va se corriger. Non, c'est-à-dire que vous recevez ce que vous envoyez à la source. C'est ça le problème. Si vous envoyez un mauvais signal, vous allez retrouver ce même mauvais signal à la source. Et je pense que le CSC doit euh, euh, euh, appliquer la rigueur pour qu'il y ait un standard, un minimum reconnu mondialement sur, le plan audiovisuel. La norme une norme doit être respectée pour la diffusion de tous ces programmes. Parce que maintenant, c'est de l'argent. Et, et, en allant, le code, le code de la publicité sera revu. Parce que faut aussi que le CC se batte pour ça aussi, que le code de la publicité soit revu pour que les gens qui sont en train d'abuser de ces chaînes de télévision, qui payent des sommes dérisoires pour euh, euh, des publicités pour, qui engendrent des milliards, il faut qu'ils comprennent que non, la télévision doit se faire nourrir et nourrir son homme. Donc, vous voyez, il y a toutes ces exigences-là que le CC doit se battre en, euh, euh, en lien avec, euh, les, promoteurs. D'accord. Mais euh, monsieur, vous êtes très, euh, monsieur Karim du CSC, vous êtes très interpellé apparemment avec bah, Abbas. Alors, déjà vous parlez de problème de moyens avec l'analogique et vous n'avez pas de moyens pour contraindre les médias à faire telle ou telle chose. Vous l'avez soulevé tout de suite. Mais qu'est-ce qui va évoluer avec le numérique est-ce qu'après l'investissement de l'État, c'est OK, tout est fini Non, vous avez le numérique, maintenant, nous-mêmes, nous sommes mis en numérique. Parce que nous, maintenant, maintenant, nous avons mis un système HMS qui nous permet de pouvoir contrôler beaucoup de chaînes. Et ça nous permet aussi, plus les chaînes se créent, plus on peut augmenter des modules seulement pour pouvoir pour voir les, les, les, nouvelles donc les nouveaux contenus. S'il y, y, a de nouveaux contenus, on va, on a juste, des, cartes quoi, c'est des modèles qu'il faut mettre seulement, ça nous permettre de pouvoir. C'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus léger. Et ça ne demande pas l'ancien investissement. C'est juste maintenant, c'est comme votre ordinateur, quand vous avez des, des parties vides, vous pouvez mettre, insérer des cartes PCI, des parties euh, de télévision, des parties de radio. Ça, donc, c'est un système comme ça qu'on a monté, indépendant de chaque. faire une extension des nouveaux, nouveaux contenus qui vont apparaître. Avec la TNT, vous êtes, le CS est plus présent. Le CS sera, beaucoup plus présent que, plus... que, et comme l'a dit tout de suite M. Abbas, en tout cas, en ce qui concerne le, contenu, le temps il faut comprendre que c'est tout ou rien. Ou le signal est bon ou il n'est pas bon. S'il n'est pas bon, on ne va même pas le recevoir. Donc si vous n'avez pas un, si pas un signal de bonne qualité, la personne ne peut pas même la diffuser. Et, le signal, ça, c'est les médias. Et ça, c'est le, le, signal, c'est le média qui doit amener son, son, signal de qualité. Alors, quels sont les. Peut-être on va revenir pour, faire le point actuellement pour le Niger, pour pouvoir voir le principal octave qui se. Actuellement, où est-ce que nous nous en sommes en termes de matériel est-ce qu'on peut dire euh, dans un délai très court, le Niger euh, est prêt ou il faut encore attendre beaucoup de choses en tout cas, vu ce, ce qu'on a reçu comme matériel, on peut dire que le Niger est sur la bonne voie. C'est une bonne partie du matériel. qui, est, arrivé. Et dans, les estimations, on pense que dans le mois de d'ici fin décembre, on va commencer les premiers tests. Parce que déjà, comme l'a dit M. Graham tout à l'heure, on a déjà implanté, en tout cas, déjà mis 4 émetteurs déjà. Maintenant, pour les centres restants, le matériel est déjà là, c'est juste de l'installer. Et les gens pensent que d'ici fin décembre, on pourra les installer. En tout cas, début 2017, Inch'Allah, on va commencer à diffuser la tente. Abbas, on va commencer à diffuser euh, début 2017. Oui, euh, je partage le même avis que Monsieur M. Euh, Maliki, parce que, au fait, ce n'est pas extraordinaire. Excusez-moi, parce que c'est vrai, quand on n'est pas du domaine, on pense que c'est la fabrication euh, d'une fusée. Non. Au fait, quand on parle par exemple de multiplex, le multiplex, ce n'est pas euh, tout un immeuble. Non. C'est un équipement. Il suffit tout simplement, euh, il suffit tout simplement de voir comment nous avons déjà un autre opérateur TNT, ici localement, que je ne veux pas citer de nom pour ne pas faire de publicité. Donc, que les gens ne s'affolent pas, et surtout envers les consommateurs, c'est ça que j'aimerais toujours. Euh, c'est le consommateur qui gagne. C'est le consommateur, parce que euh, les gens s'affolent. Ne changez pas vos postes téléviseurs, ne vous débrouillez pas à acheter des postes à 500 000 ou 1 million, si tout simplement vous pouvez regarder euh, vous pouvez brancher un DVD sur votre poste téléviseur. Vous êtes dans le numérique. Vous êtes dans le numérique. Parce que le kit qui vous permet de recevoir le numérique a une sortie analogique. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tant que votre poste marche avec un DVD, euh, il n'y a pas de problème, vous êtes euh, prêt à recevoir euh, la TNT. Donc, apparemment, il n'y a pas beaucoup de problèmes pour les populations. Pour conclure, Monsieur Karim, est-ce que quel, est le principal obstacle qui se actuellement à venir pour, pour pouvoir être en plein dans la TNT rapidement. L'obstacle maintenant est vraiment. C'est juste une question de temps maintenant. Il n'y a pas d'obstacle en tant que tel. Parce que déjà, le matériel, nous, tout le problème, c'est quoi sur le matériel. Et le matériel est maintenant arrivé à Niamey. C'est juste maintenant le temps pour pouvoir installer ce matériel-là, faire le test. Et le Niger est vraiment en avance. Le Niger est vraiment en avance par rapport à certains pays. Parce que là, on était toujours en avance. C'est on a eu une inquiétude parce qu'au moment où nous avons fini la, la stratégie même D'autres pays n'ont encore rien fait. Et beaucoup de pays sont inspirés de notre stratégie. Et ils pensaient nous que pour nous, on a pu quand même à, euh, sur le retard, avoir le matériel. Et maintenant, il suffit d'installer le matériel et commencer les tests. Merci beaucoup, chers messieurs. Merci, chers auditeurs. Nous avons reçu euh, Karim Hama et Karima, Karim Maliki du Conseil supérieur de la communication et monsieur Abbas, euh, qui est Abbas Ablaziz, acteur de la Suisse civile. merci pour, ce, de nous avoir suivis. Bonne soirée, à demain pour une autre thématique.